procès-verbaux signés par nos délégués sous la contrainte d'armes à feu. Procès-verbaux non signés du tout par nos délégués. Résultat des bureaux de vote annoncés le jour du vote, dès la mi-journée. Procès-verbaux issus des bureaux de vote n'ayant pas ouvert du tout le jour du vote. Procès-verbaux préfabriqués avant le jour du vote. Des faux bulletins marqués d'empreintes digitales en faveur de mon compétiteur. Nos représentants envoyés pour servir dans ces zones ont été purement et simplement chassés et leur signature ne figure pas sur les procès-verbaux pourtant compilés par la communale. C'est au nom de ces valeurs que j'ai décidé de déposer dès ce jour devant la Cour constitutionnelle sur la base des faits afin que celle-ci dise le droit conformément au serment de ses membres et ce afin de respecter le libre choix du peuple nigérien souverain.